Génération FM. Génération FM, the best radio. Et d'abord commencer par euh, remercier nos partenaires, euh, tous nos partenaires, et cette fois-ci spécialement remercier AJWS et les représentants, ces représentants qui sont aujourd'hui empêchés, pourquoi, c'est pourquoi ils ne sont pas là, et qui nous ont permis aujourd'hui, vraiment, après une première formation euh, sur euh, la synergie des, des acteurs qui œuvrent dans euh, les violences, je dirais contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous avons initié ce forum à travers notre élève intergénérationnel qui l'a organisé. donc pour un peu dire que il faut arrêter les violences, que les violences ne sont pas encore terminées dans nos sociétés avec cette, euh, euh, Covid-là, nous avons vu que la violence a redoublé d'efforts. Se rester chez vous a créé encore un autre, donné un autre souffle à la violence. Et le COSEF a voulu partager à travers toutes les communes, les jeunes des euh, différentes communes des trois départements qui sont là aujourd'hui réunis pour parler de ce phénomène-là, pour parler de ces violences faites particulièrement aux femmes. Et nous voudrions aussi euh, dire que après ce forum, il y aura des séries d'émissions dans les radios euh, publiques et privées, mais il y aura aussi des causeries, comme l'a dit M. Mandef tout à l'heure, euh, dans les quartiers, pour qu'on puisse savoir que il y a de, encore la violence. Et la violence, elle est aujourd'hui au quotidien dans notre société. Euh, et, nous sommes aujourd'hui heureux de partager avec euh, ceux qui subissent la plupart des violences, qui sont des handicapés, qui sont là avec nous, des femmes handicapées, des enfants handicapés qui sont euh, dans ce forum-là, qui sont venus participer à ce forum et qui ont fait des slams, notamment pour dire combien la femme est brave et que cette femme ne mérite pas qu'on pose la main sur elle. Elle ne mérite pas qu'elle soit marginalisée. Et cela, ce sont, ces violences constituent des obstacles qui freinent le, développement de la femme, qui freinent l'évolution de la femme, qui freinent la promotion effective et permanente de la femme. C'est pourquoi nous la dénonçons vraiment jusqu'à notre, jusqu'à notre dernière énergie pour dire stop aux violences, vraiment. Et particulièrement ici à Ziguinchor. nous sommes jeunes jeunes filles euh, ay garçon ñoko ko organisé muy suñu relève intergénérationnelle euh, bi nga xamné mom lañu def euh, tuddee le collège des jeunes filles du COSEF nga xamné benen partenaire muy ceci VLF à travers le financement de Affaires mondiales Canada mo taxone ñu am ko je crois que ñom tay dinañu contane buñu gisé né benen partenaire muy AJWS diñu accompagner permettre nañu tay ji ñu mëne def forum bi nga xamné dañuy dénoncer les violences di def di def plaidoyer nak pour ku nek rek dugal ci loxam te xamne ne violence euh, day day day nasaxal euh, euh, jigen te jigen mérité wul loolu ko xamne moy mooy jog ci kër moy mujjé teud ko xamne moy éduquer la principale éducatrice de la maison ko xamne moy jox nit ñu lek ci kër moy yor setu kër jigen da nga naan benn jigen la benn jëm la mais fukki loxo la yor moy pouponé yor dom moy topato jëkër tout cela ko defé na né mérité na leneen ludul dul ñu koy ñu koy violenté te dañ koy dénoncer nak dañuy kontaan tey bi nga xamee ne xale yi ñoo jog organiser forum bi ne stop aux violences euh, té lolu je crois que euh, état la dimbalé dans ces missions régaliennes ndax fa état war taxaw té mënu fa taxaw ñun tay association yi ñoo fay taxaw lëkkaloo nak ba nga xamné euh, li nga xamné moy suñu bébé moy euh métital jigen métital ndaw joggé fi donc nous euh, lañu ñu à ñu réunir loo tey may bëgg que wax AJWS avec ses représentants donc euh, mais di wax aussi euh, ndaw yi kat yemuñu ci li après forum bi dañuy am ay série d'émissions radiophoniques toujours sur les VBG mais nous avons des VAD Euh, comme euh, ni ko monsieur Mandel waxee donc euh, pour wax ne dañuy dem ba ci gox-goxaat yi te loolu nag dañ koy def di ko bokk ak rajo communautaire yi rajo yéen ñi nga xam ne yéen yor presque ndax lu siiw ak li ñu bëgg a nit ñi dégg ko presse bi moo koy def kon ñu ngi leen di remercier bu baax mais di wax ne aussi trois départements yëpp ñoo fi dajee tey chaque commune. est représenté ici te xam ngeen ne Bignona rek 19 communes la ñun bu ñuy 6 ak 5 euh, fële ci Oussouye mais Bignona moom doublé nañu triplé nañu kon bu ñëpp dajee bu ñu fexee ba ndaw communes yooyu daje bu ñu delloo ñoom seen bopp dinañ doon ay relais yoo xam ne ñooy tax ba ñoom it euh, seen i papa seen i nijaay seeni i seen i maam yu góor doo dinañu arrêté violence yi nga xam ne moom la ñuy teg jigéen ñi. best radio.